Nous avions eu une audience au palais le 29 mai 2018 sur demande du président pour structurer le maire national. Une audience qui devrait voir la participation de 50 étudiants républicains. Naturellement, comme toute rencontre politique, le jour de l'audience, il y avait un surplus de nombre qui devrait prendre part à cette rencontre. Après quelques échauffourées et bousculades entre étudiants, je répète entre étudiants, pour juste prendre part à la rencontre, certains camarades ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt à Rebos le jeudi 30 mai 2018. Nous avions été jugés et condamnés le 3 juin 2018 selon les lois et règlements en vigueur de ce pays, contrairement aux propos mensongers et chimériques de cet opposant en perte de vitesse qui veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que nous n'avions pas été inquiétés après ces faits. Ce qui n'est pas vrai, car nous avons les papiers justificatifs de notre arrestation. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour rappeler que l'acte de Guy Marissagna et compagnie n'est que du banditisme, de la lâcheté doublée d'incivilité qui n'est nullement comparable à une simple bousculade de jeunes étudiants qui voulaient juste voir le président. Comment peut-on concevoir qu'un citoyen, normal puisse outrepasser l'arrêté de Ousmane Ngom jusqu'à s'agripper aux grilles du palais présidentiel Ce dernier n'est point une propriété privée. Je veux dire le palais présidentiel. C'est un joyau architectural abritant un locataire après le président de la République, le chef suprême des germains. C'est dans cette logique que nous avons jugé nécessaire d'éclaircir la lanterne des Sénégalais pour leur dire que ce monsieur n'est qu'un manipulateur, et son entreprise a toujours été d'essayer de déstabiliser le pays et le président de la République. Avec des balivernes, mais c'est peine perdue car le président n'a même pas son temps. Ce qui est le plus ci wax ji mooy Ousmane Sonko taxaw dal a def acte de comparaison un acte barbare acte de banditisme bi nga xam ne nii la et son gang muy maanaam dañoo tok xam naa seen kër rek lekk seen ceebu jën dans le premier de actes acte une audience il va falloir qu'on soit clair nous avons une audience nous dañu des tenues correctes ñun dañu pour madame am intention muy des président Mom solul données correcte Mom amul audience Mom dafa wax ne ma palais muy neex muy metti muy taw muy président dama bëgg ngeen ngeen juger intention bi mu kooku même bu ko Sénégal même bu ko gàddu yi bàyyi mu dugg ci biir palais bi sax dina am yeneen intention yu dul maanaam toog jàkkaarloo président Macky Sall maanaam ci lu mel noonu dama bëgg maanaam ñun Sénégal yëpp ñu xam ne palais de la République c'est une institution dafa nekk loo xam ne nii képp kuy sénégalais animé de bonne foi da ngaa war a respecter institution boobu noonu mu ca respecter institution bi ma respecter ka fa nekk respecter ka fa nekk ma respecter sénégalais yi